la moitié de la population de Djourbel pour une superficie égale à 11% de la région. La découverte de la localité par le fondateur du mouridisme remonte à 1888. Le lieu de prière du guide religieux devient un lieu de pèlerinage après son rappel à Dieu en 1927. Touba connaîtra cette même année son premier peuplement. Les travaux de la grande mosquée de Touba, initiés par le premier Khalif Serunmo de Mustafa Mbake, sont à l'origine de l'afflux des disciples. L'autre événement qui va marquer le Khalifa de Serunmo de Moussafa, le 17 décembre 1928, l'autorité coloniale lui accorde un bail de 400 hectares pour une durée de 50 ans afin d'abriter la grande mosquée. Un tournant décisif dans l'histoire de la localité. Le 11 août 1930, le bail est transformé en titre foncier au célèbre numéro 528 Bawol Ahmad Ndiaye, enseignant et chercheur à Touba, revient sur l'histoire de l'aménagement de la ville. À la disparition de Serigne Mustapha, c'est son fils Serigne Fallou qui a pris la relève. Mais là où habitait Serigne Moudou a été laissé à son fils Serigne Cher. Serigne Fallou a vu que Touba grandissait de jour en jour. Il fallait donc structurer l'espace avec le peuplement massif des disciples. C'est ce qui a l'origine du premier lotissement en 1960. Des rues ont été donc tracées, des rues de 10 à 30 mètres, une corniche aussi pour anticiper l'avenir. Après ce premier lotissement de 1960, d'autres quartiers voient le jour pour accueillir les disciples mourites. Sous le règne du troisième calife Sérin Abdullahat, l'appel au peuplement de Touba devient officiel. Entre 1970 et 1976, sa population est ainsi passée de 6 000 à 29 000 habitants. Quiconque a une maison à Touba, elle sera son témoin le jour du jugement dernier. C'est cet appel qui a fait venir les disciples en masse. Lui aussi, il a procédé à de grands lotissements, mais les khalifes ne vendent pas les parcelles. Ils les donnent gratuitement aux personnes qui manifestent le désir d'habiter. Le peu d'argent qu'on demande aux bénéficiaires, c'est pour les frais de bornage qui revenaient au chef de village et ça ne dépassait pas 2000 francs CFA les terrains sont gratuits mais la vente est autorisée pour les bénéficiaires s'ils le souhaitent. Les chefs de village sont délégués par le Khalif pour officialiser ces échanges ils ont mis en place tout un système de formalisation. À Touba, on appelle communément village les grands quartiers du fait de leurs étendues et les nombreuses sous-localités qu'ils englobent. Serine Mustafa Mbaké est le chef de l'un des premiers villages d'Aruminam attestation de mutation attestation de Nous produisons deux types de papiers qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs. Il s'agit de l'attestation de mutation et l'attestation de session de peine. Euh, tous ces deux n'ont pu être officialisés qu'en 1997. L'attestation de mutation, c'est pour le propriétaire qui ne possède aucun papier. Il vient donc déclarer les conditions d'acquisition de sa maison. Euh, et on lui fait ce papier qui est marqué dans le registre à partir de cette date. Le permis d'occupation peut aussi être émis à partir de cette attestation. Quant à l'attestation de cession de peine, c'est pour le propriétaire qui veut céder sa maison à une autre personne. Sur ce papier figure le montant de la maison si elle est vendue, ainsi que les signatures de l'acquéreur, de celui qui cède, et du secrétaire du chef de village. Touba Mosquée est aussi devenu un village important parce qu'il abrite la grande mosquée, le cimetière et les concessions des fils de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est aussi à partir de Touba Mosquée que le Khalif exerce son contrôle territorial sur la ville. Cheikh Mbaye est assistant du chef de village. Nous, on a introduit une méthode au niveau de Touba Mosquée. Au niveau de Touba Mosquée, nous avons introduit une nouvelle méthode. On certifie l'acceptation de vente, la promesse de vente et l'acte de vente et tout est informatisé. La promesse de vente est signée par celui qui veut vendre sa maison devant le chef de village, tandis que l'acheteur signe l'acceptation de vente. C'est pour éviter que les deux rompent le contrat déjà signé devant le chef de village. C'est une garantie. Devant le chef de village, Tuba Touba Mosquée Darou Minam et le village originel Dar Khoudos sont le bloc urbain de la ville. Situé au sud de la grande mosquée entre Touba et Mbake, le village de Darum Marnan s'est développé en dehors de cet espace urbain. Sa population s'est multipliée par 8 entre 1970 et 1988. Mohamed Diop est le chef du village depuis 1985. A À chaque fois que le calife faisait des lotissements, il nous demandait de céder les parcelles gratuitement aux disciples. C'est ainsi qu'on a procédé jusqu'à ce que Darumarnan n'ait plus de réserve foncière. Sinon, actuellement, il arrive qu'un propriétaire décide de vendre parce qu'il a un besoin d'argent ou qu'il veut vivre ailleurs ou même parfois dans le cadre de l'héritage, une maison familiale est vendue. Mafari Ndiaye est propriétaire à Darum Marnan depuis 2002, mais il n'a pas bénéficié de dons de parcelles. Euh, c'est un bénéficiaire de dons de parcelles qui euh, m'avait vendu cette maison, mais quand il me l'avait vendue, les papiers euh, ont été délivrés par le chef de quartier qui était en fait le témoin de la vente. Mais je ne me suis pas arrêté là et je suis parti au niveau de la mairie pour avoir un autre papier plus officiel. de il y a un autre type de papier appelé titre de propriété. Il faut venir à la mairie muni du document délivré par les impôts ou le certificat de domicile délivré par le chef de quartier pour que la mairie délivre cette attestation certifiant que les papiers de la maison sont valides. On ne le faisait pas auparavant, maintenant si, car les usagers des banques ne pouvaient pas avoir de garantie pour leurs emprunts étant donné que le titre foncier de tout est unique. Pour avoir un moyen d'identification, les banques demandaient à ce que la mairie établisse un certificat de propriété pour faciliter toute requête. légalement, c'est pas possible. morfal chef du bureau des domaines et conservation foncière de Djurbel. c'est pas possible parce que le titre foncier déjà appartient à la communauté à une autorité morale qui gère ce titre foncier, c'est la seule autorité habilitée à délivrer des titres d'occupation ou de propriété sur, euh, ce titre foncier. En 2002, une demande d'extension du titre foncier est accordée par l'État du Sénégal au nom de serin Salioumbake, Khalif de l'époque. La superficie du titre foncier atteint 30 000 hectares. Touba devient une commune avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation de 2013. Sa particularité est qu'elle est assise sur deux catégories de terres, le titre foncier et le domaine national. Comparé aux autres types de droits immobiliers, le titre foncier marque la pleine propriété sur la terre. Selon Morphal, chef du bureau des domaines et conservation foncière de Djoubel, les municipalités n'ont aucune compétence sur les 18 villages englobés par le titre foncier 528. La commune a des compétences en matière domaniale qui dérivent un peu de la loi euh, de 2013 sur le Code général des collectivités territoriales. Ces compétences varient suivant la nature du foncier. Sur les tituliers, des particuliers, titres fonciers appartenant à particuliers, la commune n'a aucune mission, aucune compétence. C'est au niveau des terres du domaine national que la commune a des compétences, des compétences de délibération pour attribuer des terrains, affecter des terrains à usage autre que d'habitation. Maintenant, pour pouvoir affecter des terrains à usage d'habitation, normalement la commune doit délibérer en réalité pour un lotissement. Un lotissement administratif qui va suivre les procédures d'autorisation, de morcellement, de bornage sur le terrain, de réception. Et après seulement cette procédure, euh, on, procède à ce qu'on appelle en fait euh, la commission d'attribution la commission d'attribution, est présidée par le maire. Et c'est dans le cadre de cette commission, normalement, que l'on délivre titre d'occupation à usage d'habitation. Le sous-préfet soutient que la mairie peut intervenir dans la commune, mais sous certaines conditions. Donc la commune ne peut pas acquérir euh, des logements dans le titre foncier. Mm. Elle peut quand même euh, bénéficier de, de la volonté donc, euh, donc du détenteur du titre foncier, donc de disposer de portions de terre sur le titre foncier pour euh, des euh, activités ou bien pour des, infrastructures euh, d'intérêt général. Ça, c'est une possibilité, mais ça, ça dépend spécifiquement donc, de la volonté manifeste donc, du détenteur du titre foncier. Autrement, ce n'est pas possible. Les villages qui n'appartiennent pas au titre foncier sont au nombre de 56, mais la gestion foncière reste la même et demeure le fait des chefs de village. Les chefs de ces villages qui sont hors du titre foncier dépendent en réalité du calife. Euh, Donc, ils n'agissent jamais sans l'ordre du calife ou sans son consentement préalable. L'adjoint au maire confirme ses propos. Des villages comme euh, Touba Bogo ou encore Kerendaou sont frontaliers aux bornes du titre foncier, mais n'empêche, ils appartiennent à la commune de Touba, dans la région de Djurbel. La preuve, c'est nous qui en assurons la gestion, nous gérons aussi les installations d'eau ou encore la construction d'écoles. Mais concernant les terres des paysans, la commune n'a pas de compétences à ce niveau. C'est du ressort des chefs de village. Tout Bourkatoul Moubarak fait partie, avec trois autres, des villages non officiels de la commune de Touba. Il a été créé en 1996 par Serin Salih Mbake suite à des lotissements qu'il a initiés durant son khalifa. Aujourd'hui, le village qui est né des flancs de Touba Mosquée a épuisé sa réserve foncière. Nous avons plus de 38 quartiers. population de 150 000 habitants. 38 quartiers yooyu noonu Le village englobe plus de 38 quartiers gérés par des délégués de quartier. La population est de 150 000 habitants. D'après les recensements qu'on a faits, le nombre de parcelles dans les différents quartiers varie de 600 à 1200 parcelles. Les plans sont ensuite enregistrés dans le registre où sont répertoriés tous les propriétaires. Par exemple, la parcelle numéro 18 appartient à Mustafa Sek. Si un propriétaire résident dans un des quartiers désire avoir des papiers où il veut vendre sa maison, il vient ici accompagné du délégué de quartier. On cherche son nom dans le registre. Si on voit que la parcelle lui appartient réellement, on lui délivre le papier qu'il veut. La fixation des prix des maisons ou parcelles n'est pas du ressort des chefs de village, mais de celui des propriétaires. prix aussi parce que quartier prix 3 millions. Les prix des maisons varient. Dans ce quartier, ils sont évalués à 3 millions, 2 millions, voire 1 million de francs CFA. Mais ça dépend aussi de l'emplacement de la maison. Tu vois, cette maison à étage-là, comme c'est près du marché, le terrain a été vendu à 22 millions de francs CFA. Si tu dépasses le marché, les terrains ne coûtent pas plus de 5 millions. Pour dire encore une fois que ça dépend de la localisation et du propriétaire fixé prix prix Dans la commune de Touba, les courtiers sont plus que des intermédiaires entre vendeurs et clients. Ils s'érigent en conseillers immobiliers car ils maîtrisent mieux les prix du marché. Ils ont aussi leur propre système de paiement. Cet homme exerce ce métier depuis 2005. Le propriétaire me demande de vendre la maison à 5 000 par exemple devant les témoins. Si je trouve un client qui accepte de payer 10 000, j'attends qu'on se réunisse devant le chef de village pour officialiser la vente. Le propriétaire rappelle le prix qu'il avait fixé je lui rends son argent, c'est-à-dire les 5 000 et le reste, c'est ma paix. La sacralité de Touba est comme consacrée par la pleine propriété foncière du guide religieux du mouridisme, mais aussi par son autonomie dans la gestion des terres. La commune, elle, semble s'être adaptée à cette situation inédite en renonçant à ses attributs en matière de gestion terrienne.